sommes vendredi 18 novembre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum de la peste que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Et cela, c'est avec les confrères des médias de Niamey. Tout d'abord, nous allons parler de l'engagement du président de la République du Niger, Bazoum Mohamed, pour une justice équitable et accessible à tous dans le pays. Une déclaration faite à l'occasion de la cérémonie de rentrée annuelle des magistrats du Niger le 10 novembre passé. Ensuite, nous aborderons la question de l'insécurité grandissante dans la ville d'Agadez avec des cas de viol, de braquage et agression sur la population. Également, nous parlerons de la fièvre jaune qui sévit dans certaines parties du Niger et nous terminerons avec du sport, la Coupe du monde de football Qatar 2022 qui débutera le dimanche 20 novembre. Avec nos invités, nous essayerons de voir les chances des pays africains. Pour échanger sur ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio M. El Haj Mahamadou Suleiman, il est le directeur de publication du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir El Haj. Bonsoir. Ousseini Issa, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir Nafisa. Je suis Nafisa Adam Sirfa à la modération. Bonsoir à tous et bienvenue le président de la République, Bazou Mohamed, président du Conseil supérieur de la magistrature, a réitéré son engagement pour lutter contre la corruption en milieu judiciaire, pour qu'il y ait une justice équitable et accessible à tous dans le pays. C'était à la cérémonie de rentrée annuelle des magistrats du Niger qui s'est déroulée à Niamey. Suivant un extrait du discours du chef de l'État sur des propos recueillis par Télé Sahel. Dans l'architecture juridique de notre État, la justice constitue le principal régulateur de l'état de droit. En président le Conseil supérieur de la magistrature, j'en appelle au sens de responsabilité de chaque maillon de la chaîne judiciaire, tous qui ont une parcelle de pouvoir dans le fonctionnement de notre système judiciaire, à s'investir davantage pour mettre fin à certaines pratiques qui n'honorent pas notre système judiciaire. Je peux citer entre autres le retard excessif dans le traitement des affaires judiciaires, le refus de rédiger les décisions de justice dans les délais, et c'est très choquant parce qu'il s'agit de la vie de citoyens. La persistance de ces pratiques, je vous le promets, appellera de ma part des sanctions exemplaires car nous devons nous convaincre que sans confiance entre les justiciables et les services publics de la justice, il n'y a pas de justice, tout simplement. Ce sont là donc euh, des propos du président de la République, euh, Bazoum Mohamed, à la cérémonie de la rentrée annuelle des magistrats du Niger euh, qui s'est déroulée à Niamey. Et donc, le président a appelé à, une plus grande responsabilité de chaque maillon de la chaîne judiciaire pour que le système de la justice nigérienne puisse bien fonctionner. Je commence par vous, El Mohamedou Suleiman. Comment vous appréciez les propos du président de la République? Euh, merci bien, Fissa. Ce message du chef de l'État, euh, en tout cas, je pense que c'est euh, assez audacieux de sa part. il a demandé aux magistrats donc, de faire leur travail. C'est comme s'il le reprochait de ne pas assumer pleinement leurs responsabilités. Nous, on a vu même euh, une sorte de, de, de, de, stimulus au devoir de gratitude euh, euh, pour rappeler justement ce, ce, juge nommé par François Mitterrand, Robert Badenta, pour ne pas le nommer, mhm. président de la, Cour constitutionnelle. lui, c'est un ami de Mitterrand, mais il a dit à Mitterrand, dès l'instant que vous me nommez, et désormais, donc, j'ai un devoir d'ingratitude à votre, à votre égard. Donc, par conséquent, je suis je peux être amené à prendre des décisions contre vous, contre vos intérêts. Mhm. Et c'est ça justement le président de la République qui dit que le juge euh, n'est pas au service de, l'autorité qu'il a nommée, mais, plutôt au service de la, justice. Mhm, mhm. Ça veut dire euh, tout justement que véritablement désormais, euh, on peut dire que les juges sont liés par ce discours. S'il y a léthargie, s'il y a laxisme en tout cas dans les décisions de justice, on pourrait considérer que ce n'est pas seulement du fait euh, de politique, mhm. mais les juges eux-mêmes n'ont pas fait assez. Et je pense que dans ce contexte, euh, euh, parce qu'effectivement, le président a parlé de lutte contre la corruption, où il y a des grands dossiers importants, mhm. en tout cas, où les citoyens attendent vraiment que justice soit, en tout cas, rendue il y a la, lenteur, lui, le, le, chef de l'État, il a parlé de la lenteur justement de son mhm, judiciaire. Mhm. On se pose la question euh, pourquoi certains dossiers ne sont pas n'avancent pas, leur, traitement en tout cas est, euh, retardé. On peut estimer que c'est un nouveau départ peut-être pour le bon fonctionnement de la justice. Euh, bon, entre le discours et la réalité, c'est vrai qu'il a, fait, il a tenu un discours. Mhm. Est-ce que véritablement les acteurs, notamment les magistrats, euh, vont effectivement euh, s'accommoder avec euh, donc, le nouveau contexte. Mm. Par exemple, on aimerait bien que une institution comme le procureur, de la, en tout cas de, la, République, mm. il est censé véritablement, dans une situation normale, où effectivement, il obéit, il est au service de la justice, mm-hmm. lorsque il y a des dénonciations par des citoyens, par mm-hmm. la presse, sur certains faits on voudrait vraiment qu'ils s'autosaisissent, en tout cas qu'ils poursuivent, mais ce n'est pas le cas. Mhm. On pense que véritablement, euh, en tout cas, si tant que euh, ce discours-là, euh, en tout cas, est bien perçu par les, acteurs de la justice, en tout cas à tous les niveaux, que ce soit le procureur, que ce soit les autres magistrats, mhm. je pense qu'on pourrait s'attendre en tout cas à un changement. on peut, par exemple, dire que pour effectivement les motiver, le président a dit que, selon en tout cas les moyens de l'État, ils ont fait un effort pour effectivement euh, euh, euh, rémunérer en tout cas le traitement des oui. magistrats. Mhm, mhm, mhm. Dans tous les cas, on sait qu'effectivement, la corruption dans le milieu judiciaire, c'est aussi cela l'autre problème. Ou véritablement, lorsque. en fait, c'est que la question de, la corruption, même si le magistrat est bien payé, lorsque effectivement il joue ce jeu, il ne peut pas s'en passer. Donc, euh, vraiment, c'est une question d'éthique. Mm. Et je pense que le discours du président de la République euh, euh, rappelle au magistrat son Leur En tout cas, que il y a un effort de, ce soir à faire. Donc, par conséquent, on va voir que est-ce que véritablement. c'est un, bon, nouveau départ, comme vous dites. Mm-hmm. mais je pense que, d'un point de vue tout simplement de la forme, ce discours, en tout cas, motive euh, donc les, euh, mhm. les, acteurs de la justice, en tout cas, à inversé la tendance parce mhm. que, quand même, il faut l'admettre, euh, tel que, en tout cas, la justice fonctionne. Lui-même, le président a cité quelques cas où il parle effectivement des dénis, des dénis de justice. Mhm. Lorsque, effectivement, euh, simple fait que, parce qu'en fait, le pouvoir de juger, c'est un pouvoir très important, puisque de votre décision, dépendra le, de, quelqu'un. Donc, par conséquent, lorsque vous traînez le, le, le pied pour rendre la, décision, ou bien il dit que la décision, elle est déjà. Il y a un jugement, mm. mais écrire la, la décision, franchement, c'est révoltant, c'est mhm. inacceptable. Justement, le président de la République a évoqué certaines pratiques néfastes qui, persistent dans le système judiciaire du Niger, tels que les retards dont il parle de traitement des dossiers judiciaires. Vous, Ousseini Issa, de quelles autres pratiques néfastes avez-vous connaissance et qui persistent dans le système judiciaire ici au Niger Je pense que a tout est hein. mhm. Le véritable problème de la justice au Niger, d'abord, c'est la lenteur dans le traitement des dossiers. On ne peut pas s'expliquer. Il y a des dossiers qui sont là pratiquement depuis la Ve République, qui sont là des dossiers, des gros dossiers. Mhm. Parce que quand il s'agit de malversations et autres, il faut les mettre sur la table, en débattre, en finir, n'est-ce pas mhm. Sous la 7 République, il y a des dossiers, il y a eu beaucoup de dossiers de malversations et tout et tout. Mhm. Et cette lenteur ne s'explique pas. Pourquoi Parce que tout simplement, quand on voit dans d'autres affaires, la diligence pour traiter, des affaires, on se dit quelque part, c'est qu'on met les pieds dessus. Hmm. Mais l'instruction vient d'où Souvent, et c'est en cela qu'on dit que la justice est quelque part politisée. Hmm. C'est une réalité qui est là, personne ne peut. Mais est-ce que vous pensez que la justice nigérienne est politisée Hyper politisée, même, on peut dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait le problème. Mais quand on voit un peu c'est quoi le principe de la démocratie, mm. c'est la séparation des, pouvoirs. C'est karma. cette séparation de pouvoirs doit pouvoir donner beaucoup plus de poids au juge. Mm. Le juge doit être plus important que l'exécutif, que le législatif. Le juge est là mm. pour dire le droit. Qui que vous soyez, et c'est ce que le président a dit, qui que vous soyez, quel que soit par ailleurs votre bord, quand vous êtes, euh, comment dirais-je, euh, en face d'un dossier, ne cherchez pas à voir si à protéger quelqu'un. Mm-hmm. Dites la, la, justice, dites, le droit, c'est ça le plus important. Mm-hmm, mm-hmm. Mais malheureusement, moi je me dis peut-être que c'est un discours juste pour la circonstance, n'est-ce pas Parce que je me rappelle, euh, en 2012 déjà, quand Issoufou avait été arrivé au pouvoir, il y a eu les États généraux la justice, n'est-ce pas Les engagements, les engagements euh, forts ont été pris pour pouvoir créer les conditions d'une véritable indépendance de la justice. Et mais malheureusement, c'est la même situation. Mais malheureusement, non, ça un l'homme politique. Pourquoi je vais lâcher les brides pour laisser que toi, tu puisses m'atteindre On est dans cette situation. Maintenant, quand même, c'est une perche qui est tendue au juge. Justement, oui. À partir de cette déclaration-là, mm-hmm. ils peuvent se dire, bon, on va appliquer. Parce que le problème de la justice, euh, Alain Suleiman vient de le dire, le problème, c'est que tu, dépends de l'avis de quelqu'un. Mm-hmm. Et d'ailleurs, ce quelqu'un-là, c'est qu'il y a toute une, famille où il y a des familles qui sont là. Mm-hmm, mm-hmm. Et que toi, tu penses que tu peux priver quelqu'un, tu peux briser pratiquement, parce que tout simplement, tu as rendu une justice euh, injuste, un, verdict qui n'est pas, qui n'est pas, parce que tout simplement, on t'a donné des instructions. Mais le problème que les gens oublient, c'est que tu vas devoir répondre, pas ici sur terre, mais de l'autre côté. Ces magistrats donc euh, doivent saisir cette occasion même, dans repartir euh, c'est le travail le plus difficile. Mm-hmm. Même dans l'islam, c'est le travail le plus, c'est le rôle le plus difficile mhm, mhm, mhm. de juger. Parce que tu juges des êtres humains comme toi. Si maintenant tu te laisses instrumentaliser par quelqu'un, prendre des instructions avec quelqu'un pour mettre quelqu'un en prison de manière illégale, moi je dis quelque part, dis-toi bien que quelle que soit ta longévité, un jour tu vas disparaître. Et de l'autre côté, c'est que la justice là-bas, il n'y a pas de. On m'a donné des instructions. Parce que vous pouvez dire non je ne vais pas exécuter et je vais dire le droit, quitte à ce qu'on on, m'affecte quelque part. Dans tous les cas, sur les Niger, n'importe où on m'amène, c'est toujours des Nigériens que je vais voir, c'est des Nigériens que je vais servir. Donc on doit attendre beaucoup vraiment de ces magistrats mm, après ce cet président. Voilà, bon, tu m'as posé la question à savoir les mauvaises pratiques. Bon, d'abord, il y a cette lenteur, mais également un peu, comment dirais-je, la rédaction des, des, des, des, décisions. Mais alors, vous avez condamné quelqu'un, mais quand vous rédigez, il faut motiver pourquoi vous avez estimé qu'il doit aller en prison. Mhm. Et c'est ça, souvent, le plus difficile. Parce que peut-être vous avez pris des instructions pour le faire, mais maintenant vous n'avez pas les arguments pour justifier pourquoi vous avez mis la, personne en prison. Vous, Moi, je dis, voulez expliquer que souvent ces décisions de justice sont faites sur des informations qui ne sont pas fondées Non, mais le juge, il est quand même indépendant. Mhm. Il doit pouvoir dire, mhm. peser, sous-peser, pour voir de quel côté se trouve la vérité. Mhm. Mais quand vous faites ça de manière expéditive, parce que tout simplement, peut-être quelque part, on vous a donné des instructions, mm. c'est que vous mettez, vous compromettez toute une vie ou des vies entières, mm. n'est-ce pas Alors, c'est le deuxième aspect. Mm. Le fait de la lenteur, là, c'est souvent lié au fait qu'il n'y a pas d'argument. Parce qu'il faut rédiger, tu dois motiver pourquoi tu as décidé de mettre la personne ou pourquoi tu as décidé de libérer la personne. Le phénomène de la corruption, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Le, le barreau, le bâtonnier l'a dit. Aujourd'hui, il y a une concurrence rude. Souvent, les gens le disent entre les juges et les avocats même, parce que on, apprend qu'il y en a qui préfèrent aller carrément voir le juge que mm. d'aller prendre un avocat, des mm. choses comme ça. Mais heureusement, le président même a parlé, a terminé en parlant des sanctions. Et là, justement, êtes-vous optimiste euh, quant à la mise en œuvre de ces sanctions euh, les sanctions. Euh, si si persiste, euh, si c'est une. S'il le, le, dit, et effectivement, d'après l'état du lieu qu'il a fait dans le domaine précis, certainement, déjà, il est suffisamment renseigné pour effectivement faire booster, en tout cas, mettre fin à certaines mauvaises pratiques. Mhm. mais encore une fois, je me dis que dans cette situation, ailleurs, vous voyez, par exemple, on n'a pas besoin d'aller au juge que ce rôle est, important. Mhm. Dans des situations où la démocratie fonctionne normalement, par exemple ailleurs aux États-Unis, par exemple, euh, le juge est l'homme le plus craint. Mhm. C'est pas l'exécutif, le, le, euh, c'est pas le législatif, mais c'est le juge qui est craint. Mhm. Ils appellent là-bas persécuteur. Donc, par conséquent, passe au procureur, en tout cas, il peut euh, euh, n'importe qui en fait vous voyez donc ce, qui fait que véritablement et c'est la constitution mhm. ce que le président de la République a, dit que le juge euh, n'est pas au service du pouvoir qu'il a nommé mais c'est la constitution qui dit, qui dit ça donc il doit dire le selon, selon la loi mais surtout aussi selon son intime conviction mhm. donc ce qui fait que c'est un pouvoir important donc on voudrait bien voir effectivement qu'est-ce que ça va donner est-ce que euh, véritablement on va associer à des situations où euh, la presse, en tout cas, on continue à lever des lèvres, mhm. euh, les citoyens portent des plaintes sur des, situations flagrantes Est-ce que véritablement le procureur va être sensible, en tout cas, à convaincre les citoyens qu'il y a effectivement une justice qui est là mhm. pour vraiment, tout simplement, euh, parce que c'est aussi ça euh, de l'ordre, mhm. préserver l'ordre et la sécurité. Lorsqu'il y a des situations extrêmement graves euh, qui sont dénoncées et qu'on ne fait rien, je pense que c'est une insécurité mhm. d'une certaine façon. Mhm. Donc, je pense que aussi sur le phénomène qui gangrène en tout cas le, pays, à savoir la, corruption. La corruption, c'est là effectivement qui est un vrai défi pour le, et pour le politique et pour le, et pour magistrat. Euh, c'est effectivement sur cette base qu'on va juger par rapport aux affaires mhm. passées et aux affaires en tout cas à venir. Mhm. C'est là qu'on va voir effectivement est-ce que ce discours-là a eu un impact en tout cas sur les, sur les magistrats. Mhm. Est-ce qu'au niveau de, vraiment la, justice, il y a un fonctionnement en tout cas normal qui fait que la justice va être, comme le président l'a dit, accessible et vraiment euh, au profit du citoyen. Mais Hussein, vous, est-ce que vous pensez même que les sanctions sont la meilleure solution même mais on, peut quoi une, société est régie par quoi mhm. Ça dit, voilà, on fait des normes. On dit, voilà comment les gens doivent se comporter. C'est ça les lois. Mhm. Voilà ce qui doit être fait. Maintenant, si vous enfreignez à cette loi, à une, à une loi, c'est qu'il faut vous sanctionner pour que ça serve d'exemple aux autres. Mhm. Partout dans le monde, c'est comme ça ça fonctionne. On ne peut pas faire l'exception ici. Mais malheureusement, on est dans une situation où on a c'est la mise en œuvre des sanctions. la mise en œuvre, c'est facile. Euh, c'est bien prévu par des textes comment on doit pouvoir mettre ces, sanctions-là. Est-ce qu'on a besoin Maintenant, qui doit mettre les sanctions en œuvre Le plus souvent, c'est celui qui t'a nommé. Ou... Mais maintenant, ce que je l'ai entendu dire, c'est que même les représentants du président, mais également du président de l'Assemblée, ces représentants-là ne vont pas siéger désormais. Ah, il y a un texte qui est en préparation mm-hmm. pour que ces représentants ne soient plus comment dirais le membre du Conseil supérieur de la magistrature, c'est entre magistrats que ça va se décider, les affectations en mhm. fonction des grades, en fonction de la probité et tout et tout. Mhm. Voilà c'est à quoi tout le monde aspire. Mhm. Parce que dans une démocratie, quand il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie. Il ne faut pas se faire diligent. On ne peut pas faire une démocratie de façade en considérant que, bon, parce que la justice, mais quand la justice est instrumentalisée, c'est plus une démocratie parce que le faible peut être écrasé. Il a quelle possibilité la seule possibilité qu'il y reste, si la justice ne lui rend pas justice, mais le problème que je pose, c'est que ça crée une espèce de révolte mm. et ça peut déboucher sur des choses. On espère vraiment que ça soit un nouveau départ euh, pour euh, cette justice on le souhaite, Et on a bien écouté le président, on mm-hmm. souhaite qu'il puisse mettre en œuvre, en tout cas, que la justice soit véritablement, parce que moi j'ai dit, même quand on parle, il n'y a pas que la justice, c'est toute l'administration nigérienne qui est politisée. Mm-hmm. Pratiquement, il faut être d'une coloration mm-hmm. pour pouvoir, alors que c'est normalement la compétence, l'intégrité, mm-hmm. le mérite qui doivent c'est ces valeurs-là qui doivent présider aux nominations, mhm, mhm. n'est-ce pas Mais quand les gens, on s'est dit, ah, ça fait que le gars, il, est plus, il compte plus sur son parti politique que sur ses propres compétences. Mhm. Mais comment on peut développer un pays de cette façon Donc, euh, souhaitons vraiment qu'il y ait des suites favorables face à ces engagements pris par le président de la République. ça nous... doit avoir des suites <laughs> favorables. C'est pas qu'on souhaite. Ça, doit ça doit fonctionner comme ça. Où on fait la démocratie, je l'ai dit, et j'ai l'habitude de le dire partout, où on fait autre chose. Nous entamons donc le deuxième euh, sujet du forum euh, de la presse. Euh, la commune urbaine d'Agadez est confrontée ces derniers mois à une insécurité grandissante avec plusieurs attaques à main armée enregistrées sur les routes et dans les villes. En guise d'exemple, 12 kilos d'or ont été emportés par des individus armés non identifiés. Un peu avant, un minibus d'un sous-traitant de l'armée américaine d'Agadez en pleine ville a été braqué par des individus emportant avec eux 24 millions de francs CFA. Elage Suleiman, selon vous, qu'est-ce qui explique euh, cette recrudescence ou bien cette insécurité grandissante euh, dans la ville d'Agadez de ces derniers mois euh, le, problème d'insécurité donc au niveau des villes, il faut l'admettre, pas seulement à Agadez. pas, seulement. Agadez, c'est mhm. que les grandes villes font face à ce phénomène d'insécurité pour des raisons tout simplement euh, du chômage, euh, du manque euh, d'emploi, donc la jeunesse qui est là dans une situation. Mm-hmm. Donc ce qui fait que beaucoup, ça donne à du banditisme, en tout cas l'agression, le, vol à main armée, ou bien en tout cas, c'est une, réalité. Donc, c'est pas seulement, pas seulement à J'ai suivi en 2010, vous avez fait, Kalango a fait un élément où, par exemple, ici à Karategui, et. Euh, dans les quartiers de Niamey, en tout cas, où les chefs de village euh, disent clairement que la sécurité, c'est inélatée, Même si par ailleurs la police avait, euh, en tout intervenu. cas, intervenu. Mm. Donc, c'est ça, ce qui fait que maintenant, par rapport à Agadez, vous voyez, vous parlez de l'or. Mm-hmm. ce n'est pas le premier cas où, effectivement, c'est des gens qui sont, bien renseignés, qui savent qu'il y a de l'or qui est transporté, mm-hmm. et ils savent où, où effectivement, euh, poursuivre pour euh, accéder à cela. Donc euh, ça, c'est aussi un autre, autre phénomène. donc c'est très malheureusement cela et je pense que ce qu'il y a lieu de faire, ce que c'est d'informer, donc en tout cas la, police fait, fait, son, boulot. Mm-hmm. je pense qu'il faut non seulement les, informer, il faut aussi des, des, des mesures euh, je veux dire, quand je parle du banditisme de façon globale, euh, je ne parle pas de, gens, en tout cas, qui cherchent l'or avec les. Mais Il y a par, par, exemple, des de situations où on vient, par exemple, en pleine ville, euh, braquer, arracher le bien de quelqu'un, ou bien venir dans des stations ou bien dans les compagnies de transport, mhm. transfert d'argent, ou bien des, transports mhm. Donc, vous voyez tout cela aussi. Le pire aussi des viols sur mineurs. Justement, donc, vous mhm. voyez tout cela, c'est c'est une situation euh, aggravante. Il y a aussi le kidnapping euh, qui est aussi un phénomène euh, Donc tout cela euh, fait que il faut, par exemple, vous allez voir bientôt c'est la, saison de froid, ils vont venir dans les maisons des gens, surtout dans les quartiers périphériques. Mhm, mhm. donc violenter, en tout cas voler les gens. Donc tout cela aussi euh, même aussi dans les, dans les business, mhm. en fait, il, y a ici chez nous, et malheureusement, c'est aussi une question de moyens, euh, le phénomène de la vidéosurveillance, vous voyez, par exemple, même dans la circulation, mhm. les gens qui opèrent, si effectivement, un peu partout, il y a des vidéosurveillances, en tout cas pour la, pour la protection. on pourra toujours identifier euh, les malfrats, mhm. les voir en tout cas, et ça va permettre à la police d'avoir des indices euh, souvent les membres de complice, euh, en fait, euh, je, veux dire que c'est vrai aussi, il faut le admettre, euh, de plus en plus, la police arrive à, faire des opérations concluantes mhm, parce que aussi mhm. on, expose les, les, malfrats, que ce soit les trafiquants de, mhm. de, drogue et autres. donc, il, se trouve que justement, c'est une situation, comme je l'ai dit, dans la cause, effectivement, la pauvreté, le, chômage. Le, de, jeunes. Mais il y a aussi, je constate, euh, tous ces gens qui viennent aujourd'hui euh, d'ailleurs, comme euh, Agadez. Absolument, comme Agadez. Ces gens-là, en tout cas, viennent des sociétés violentes où véritablement ils sont habitués à, des, à ces braquages-là. Parce que, jusqu'à un certain moment, ici chez nous, on ne peut pas, ici, en plein Niamey ou bien dans, les villes, dans la journée, mhm devant tout le monde, quelqu'un va venir t'agresser, il prend ton billet, il, il fuit et les gens observent, on, ne fait rien. Hmm. Donc, c'est à dire qu'effectivement, il y a des phénomènes euh, qui nous sont venus effectivement de, l'extérieur, hmm. mais aussi les nôtres aujourd'hui, comme je l'ai dit, parce que aussi la pauvreté, donc le chômage, en tout cas, amène les jeunes hmm. effectivement, et aussi la, la, la, drogue. Parce que vous parlez d'agresse, effectivement, on a vu même euh, les jeunes filles, effectivement, la consommation effectivement, qui est en train de, s'aggraver. Donc, tout cela, effectivement, va aggraver la situation. Euh, sécurité et le bonheur en cas dans les grandes villes, et c'est une, réalité aujourd'hui. Rappelons qu'un forum euh, sur la paix a été organisé même euh, du 30 juin au 1er juillet à Gadez, euh, où des engagements, des propositions ont été faites à la fois à l'État et aux partenaires techniques et financiers pour un retour de la paix et de la culture sociale. Malheureusement, cette situation sécuritaire se détériore davantage. Vous, Ousseini, comment situer les responsabilités quand on a fait le forum, là, est-ce que c'est les brillants qui sont venus assister au forum <laughs> C'est pas des gens qui se sont déplacés pour aller là-bas avec les partenaires ce sont les acteurs, euh, oui. Mais ces gens, c'est comme quand on a fait le forum de Tilabéry mm. sur la paix. Mais les gens qui font ces actes-là, ils ont pris goût à ça. Mm. Faites vos forums si vous voulez. Nous, ça ne nous engage pas. Alors, Suleiman vient de dire quelque chose d'important. Mm. C'est la pauvreté, la paupérisation, le manque d'emploi et tout et tout, n'est-ce pas et puis en plus, ces dernières années, la découverte des sites d'or, qui fait que ça attire beaucoup de gens. Parce que quand vous allez par exemple à Agadez, ici à Tamou, un peu partout, vous allez trouver des étrangers, des gens souvent qui sont très violents chez eux mhm. et qui sont prêts à tuer. Mhm. À l'époque, quand on parle de vol, c'est des vols où le gars vient Nitama, il saute par-dessus le mur, il rentre, il prend des habits ou mhm. quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est en plein jour. Les gars viennent avec armes parce qu'il y a une circulation terrible d'armes à feu. Mhm. On n'arrive plus à contrôler du fait de l'insécurité qu'on est en train de vivre là. Ça a gagné même les grandes villes ici à Niamey seulement. Combien d'attaques y a-t-il eu N'est-ce pas Bon, alors, que faut-il faire c'est faut Qu'est-ce faut-il faire mm-hmm. On va renforcer peut-être le dispositif de sécurité, mais ça ne va pas suffire. Il faut surtout créer les conditions d'éradication de la pauvreté. Mm-hmm. Créer les conditions. en quoi faisons gens... Créer les conditions, créer des opportunités, ou, aux jeunes. Parce que les gens qui se versent dedans, imaginez quelqu'un qui est là souvent, dites-vous bien, souvent ce n'est pas des, des, des, des, comment on appelle, hein, c'est des gens qui ne sont pas allés à l'école, mm. souvent c'est des gens qui sont allés à des niveaux, mm. mais qui se disent on peut monter telle chose pour pouvoir se réaliser. Mm. Mais maintenant, ils vont trouver des gens qui sont violents par nature, qu'ils vont embaucher, ils font les gangs et ils opèrent. La dernière fois, j'ai vu, c'est plus quelle région où c'est toute la famille je ne sais plus, j'ai vu ça sur. Euh, oui, toute une, famille, qui était euh, impliquée euh, dans une histoire. de, de, vol, de, moto, et de voiture. Bon, alors, qu'est-ce qui a pu pousser c'est parce que tout simplement la société est en train de, de, de, de plonger. On est en train d'assister à un phénomène où si l'on y prend garde, même si ce truc de chez soi, ça va être compliqué un jour. Mais quelle doit être la responsabilité des autorités régionales la responsabilité des, autorités régionales, c'est quoi la responsabilité Vous savez, Agadez aujourd'hui est devenu un déversoir. Quand les Algériens prennent les gens, ils ne cherchent pas à savoir de quelle nationalité, ici les Nigériens ou pas. Ils viennent et déversent là-bas. Les gens qui arrivent, qui arrivent au niveau des centres de rétention de, de, de, l'OIM, des partenaires, mais souvent c'est des gens très violents. Mm. Au bout de quelques temps, parce qu'eux, ils disent qu'il faut qu'ils retournent. Moi, j'ai assisté à des scènes comme ça où ils descendent dans la ville, ils font des casses et tout et tout. Mhm, mhm. Ils se disent qu'ils n'ont rien à perdre. Mais, la population ne dénonce pas. Mais la population peut dénoncer quoi Quand ils rentrent dans la ville, ils peuvent se permettre tout. On a assisté à des phénomènes comme ça où ils ont mhm, même l'habitude de brûler les tentes dans lesquelles ils, sont, entrés. en train. Mais alors, on peut faire quoi Nous avons accepté parce que nous aurions pu dire dans les accords qu'on a signés avec l'Algérie, non, quand vous attrapez des euh, machins, trier ceux qui sont nigériens, ramenez Mais si les autres, là, gérez ça à votre niveau. Mm-hmm. Mais quand vous faites venir tout le monde, vous déversez sur nous, mm-hmm. nous devenons, de fait, nous devenons une, zone sinon Agadez, mm-hmm. qui a connu quand même des rébellions. Mais il n'y a pas cette violence-là en ville, ces braquages et tout et tout. C'était quand même idéologique. que Les gens, ils avaient des revendications euh, une vision idéologique de la chose. Mais aujourd'hui, c'est pour s'enrichir. Et ils sont prêts à tuer. Il n'y a pas que Tagadez, Niamey, Maradi, on voit. Ça fait pas tous les deux, trois jours à Maradi, on va te dire des gens sont venus de quelque part, ils ont attaqué, ils ont tué, ils ont emporté du détail. Oui, et là, je... Justement, tout à l'heure, j'ai parlé de système de protection euh, de vidéo, de vidéosurveillance, euh, mais en plus euh, de, simples. non, non, justement, euh, c'est pour dire qu'en fait, aussi dans les villes, par exemple, des autorités, par exemple, en ville, tu vois par exemple que la mairie pourrait effectivement éclairer les, les lorsque en tout cas les quartiers qui ne sont pas éclairés rien que devant, devant votre porte euh, en mettant une, ampoule vous, vous votre, sécurité mhm. euh, aujourd'hui aussi vous avez par exemple ceux qui ont les moyens à défaut d'avoir donc euh, recours aux forces publiques, mais il y a aujourd'hui des compagnies de, sécurité privées mhm qui peuvent être utiles. Tu, as, tu, es un homme d'affaires. Mm. Euh, justement, la sécurité n'a pas de prix. Il faut, recourir à ce service, en tout cas, pour te protéger. Parce mm. Puisque les gens viennent, notamment, on sait que tu as, tu de l'argent chez toi. Mm, Ils vont venir justement te prendre. Euh, te, violenter et ainsi, que ta famille. Donc il y a donc euh, entre autres entre autres mesures en tout cas mais je pense que les autorités doivent faire effectivement l'effort véritablement parce que j'ai vu en tout cas la police fait, le fait justement quand on prend les, ces, bandits, en tout cas désormais, on les présente de, de, devant la presse, même si effectivement, comme l'a dit au Hussein en vérité, bon, ceux qui sont dans ça, en tout cas, tout simplement, ils vont dire que bon, c'est le jour qui était mauvais pour les autres. Donc bon. en tout cas, je pense que c'est une réalité, cette question de sécurité. Mm euh, donc il va falloir en plus vous voyez du terrorisme en tout cas donc la, la sécurité générale il y a aussi le, le mm-hmm. en tout cas dans les grandes villes aussi vous, en fait vous, euh, El Haja euh, Issa quelle autre proposition pour ramener et conserver cette sauvegarder la sécurité au sein d'Agadez qui on, sait que l'Agadez est, est considérée comme un joyau culturel du pays comment ramener vraiment la sécurité comment ramener ah, je ne peux pas. Comment ramener Il n'y hein. a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut renforcer un peu, comment dirige euh, le dispositif sécuritaire au niveau d'Agadez. Mm-hmm. Même s'il faut mettre des mécanismes locaux en place qui vont essayer de. Parce que je vous dis, avec l'or, on trouve de l'or un peu partout dans cette zone. Imaginez l'or là. Quand on dit qu'il y a l'or quelque part, il y a des gens même ici qui t'a donné leur vie, même ils vont aller. Mhm, mhm. Parce qu'ils se disent qu'en allant là-bas, ils vont sortir de la misère. Mhm. Et ça attire. Et quand ça attire, il y a tout le monde qui vient. N'est-ce pas Ça attire tout le monde. Non seulement les gens honnêtes, mais également les malhonnêtes, qui vont là. Mais tout ça, les gens braque en ville, les véhicules braque. Non, mais c'est, que, c'est planifié. Ils savent à quel moment la personne va quitter pour aller. On a braqué 100 kilos je ne sais pas, en plein milieu, alors que le véhicule même était escorté par des, des, gars. <laughs> Comment, comment, expliquez-vous cela Et jusqu'ici, on est sans nouvelles de... <laughs> Mais bon, alors, à partir de ce moment, mhm. moi, j'ai dit quelque part, il ne faut pas se faire d'illusions. Mhm. Ce que, que là, je viens de dire, c'est qu'il faut que les gens se sécurisent eux-mêmes. Mhm, je ne peux pas avoir de l'or en quantité comme la dernière fois et puis vouloir prendre la route. Je vais aller prendre un billet d'avion. C'est risqué déclarer lors, je viens vers Niamey, je rentre, j'embarque. Là, à ce moment, si ce n'est pas pour faire descendre l'avion, mhm. je ne vois pas par comment la personne peut venir mais il faut donc renforcer euh, ce, le dispositif euh, sécuritaire dans la ville d'Agadez euh, pour vraiment ramener cette sécurité et la sauvegarder. Nous allons observer une petite pause avant d'entamer les autres sujets de ce forum de la presse. Sujet santé à présent, en septembre et en octobre 2022, l'Institut Pasteur de Dakar a confirmé des cas de fièvre jaune au Niger et dont des décès. Les cas étaient confirmés euh, par le test de neutralisation par réduction de plaques et ont été signalés dans les régions de Dosso, Zendertawa et Agadez. À a seulement 21 cas suspects de fièvre jaune, dont deux décès ont été indiqués, a indiqué la direction régionale de la santé. Mais à ce jour, euh, l'âge n'a aucune communication officielle autour de cette maladie. Qu'en dites-vous? Bon, justement, euh, euh, vous dites aucune euh, communication officielle. Peut-être que le ministère de la Santé est en train de, de réunir les éléments de, sur le terrain, en tout cas au niveau des régions, l'évolution de la situation une chose est sûre, je sais que si le phénomène euh, euh, s'aggrave, comme ils l'ont toujours fait, par exemple, quand il y a des euh, épidémies, ils ont toujours en tout cas alerté l'opinion pour dire voilà le comportement, ce qu'il faut faire. Mais comme vous dites, c'est l'Institut Pasteur donc, de Dakar qui a qui a donc confirmé ce, mhm. cas de, ce cas de On sait, je crois, de façon générale que euh, cette fièvre s'est portée par une sorte de euh, variante de, de, de, moustique, euh, qui peut contaminer les gens, mm-hmm, mm-hmm. soit à travers les animaux. Mm-hmm. Donc tout cela, je suis d'accord avec vous, c'est important que le ministère de la Santé, en tout cas, communique, et surtout dise aux gens comment se protéger, quelles sont les précautions à, prendre, parce que vous avez cité au moins quatre régions du pays qui sont où on a détecté le, le, virus. Donc euh, la situation effectivement euh, assez grave parce que une fois que déjà les quatre régions sont atteintes, et vous voyez, donc facilement tout le pays pourrait être affecté. Donc par conséquent, il n'y a pas à attendre, il faut communiquer donc euh, pour informer les, populations comment se comporter face à ce, virus. Justement, euh, nous avons eu quelques précisions avec des spécialistes de la santé qui, selon eux, la fièvre jaune est une maladie hémorragique virale aiguë transmise par des moustiques, comme vous le disiez, des moustiques infectés. Et les symptômes sont la fièvre, les céphalées, les ictères, les nausées, vomissements et fatigue. Et la population, ils disent, n'est pas euh, ou peu immunisée contre la fièvre jaune les moustiques, euh, ils transmettent euh, alors le virus d'une personne à une autre, mais heureusement, elle n'est pas contagieuse. Alors, euh, comment la population vraiment doit s'y doit prendre face à cette maladie, Ousseini avant que... il faut d'abord que la population soit informée. Oui. Mais la population, est-ce que c'est tout le monde Il y a quand même les gens qui sont là, les spécialistes de mhm. santé et tout. Mhm. Ceux qui doivent normalement se saisir de l'affaire mhm. pour essayer d'expliquer comment on peut se prévenir. Mais euh, dans, le noir comme ça, là, vous dites qu'il y a quatre régions sur les, les, les, huit du pays qui sont. Mais est-ce que les gens, par exemple, de Dosso, ils savent, ils savent cette de quoi maladie. il s'agit Ils ne savent pas. Et quand je demande mots de tête, je vais penser que c'est un palu normal. Mhm. Je vais prendre des médicaments de palu. C'est que quand il y a des choses comme ça, il faut que l'autorité sanitaire, rapidement, urgemment, dise pour pouvoir circonscrire avant que vraiment Avant ça, que ça, ça, devienne. Euh, la Covid voilà. Mm-hmm, mm-hmm. Mais la Covid, c'est parce que dehors on nous a dit il y a Covid. N'est-ce pas C'est parce que c'est une pandémie. Ça dit que c'est venu d'ailleurs. Mais là, alors, en plus, il y a. Ici, bon, quelque part, on s'est dit, les symptômes là, il y a mm-hmm. beaucoup de maladies qui présentent ces mêmes symptômes. Et les gens, on connaît un peu comment l'accès à la santé dans ce pays. Hum, hum, hum. Le gars, il a pas lu, même il traite euh, à travers les pharmacies par terre. Il cherche des calmants. Alors, alors c'est plus grave ici. Il faut que l'autorité prenne les choses en main rapidement ne pas laisser que ça s'aggrave, parce que quand ça va s'aggraver, ça va être encore plus compliqué la gestion. Mmh, mmh, mmh. Voilà un peu, mais demander comment la population doit s'y prendre, la population n'a aucun moyen pour pouvoir, parce qu'il faut connaître la chose pour, pour, pour, pour la prévenir comme c'est des maladies qui sont localisées euh, ici en Afrique, et un peu, je crois, une partie de, l'Amérique, quand ils vont venir, les autres, ils, font ils font des vaccins d'avance. Voilà pourquoi, effectivement, il n'y a pas assez euh, d'efforts pour trouver euh, des vaccins. <laughs> Donc, les spécialistes de la santé disent que le meilleur traitement reste la prévention à travers la vaccination des enfants à partir de 9 mois. C'est ce qu'ils disent. Euh, donc bon, euh, je pense que euh, vraiment, vous l'avez dit, c'est important en tout cas à cette étape d'informer et vous le faites si bien, je pense, mhm. votre émission mhm. et est de nature à interpeller le ministère de la Santé en tout cas pour vraiment engager une campagne de sensibilisation puisque le phénomène étant donc déclaré, donc par conséquent, il va falloir donc communiquer, communiquer pour sensibiliser les populations. On espère bien que le ministère puisse prendre la situation à Dernier sujet du forum euh, de la presse euh, du sport. La Coupe du monde de football débutera le dimanche 20 novembre 2022 au Qatar. Le Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie représenteront l'Afrique à cette euh, compétition. Hussein Issa, vous êtes amateur ou pas du football J'ai été amateur. <laughs> J'ai été mhm. été même joueur. Alors, je ne m'intéresse plus parce que pourquoi Bon, parce que tout nous, nous sommes toujours en retard, dernier. Alors qu'on était jusqu'aux années 80, on faisait partie des équipes. Mais je m'intéresse quand même, parce que c'est un événement quand même sportif. Euh, mhm dans, Et, et, dans toute l'Afrique, euh, c'est ces pays qui représenteront. Oui, mais c'est des pays qui ont euh, l'habitude. Par exemple, le, Cameroun a l'habitude d'aller à la Coupe du Monde. Il a sa huitième euh, participation. Voilà, Le, Ghana a l'habitude, je crois. Le Ghana a été une fois, je mhm. crois aussi. Le Sénégal, le Sénégal également. La Tunisie aussi, en 78. Mhm. Cette année, l'Égypte ne, participe pas. Oui, la, la, Tunisie, je crois. la, Tunisie, depuis 78, c'était la Tunisie qui mhm. avait représenté ça. Je connais avant que la télévision même ne soit répandue. Les Africains attendent beaucoup de ces équipes. Oui, les Africains attendent, mais bien évidemment, les Africains, moi, s'attendent à quoi Non. On, on, en Afrique, on va essayer de, de comment de, défendre ou de de supporter nos, équipes. Hmm. Maintenant, quand j'ai entendu des spécialistes dire que bon, les, les Africains, parmi tous les pays africains, il n'y a pas un seul qui est classé parmi les favoris. Mhm. C'est des spécialistes qui le disent. Malheureusement. Mais c'est un, <laughs> sport. Pourtant, le Cameroun est, à sa <laughs> huitième. On peut espérer que, un c'est une équipe qui peut être euh, classée parmi les favoris. Ça dépend de comment les gens vont s'y prendre. Parce que mhm. moi, j'ai dit, on a quand même eu beaucoup d'expérience. Il y a mhm. beaucoup de pays, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Les gens ont dit quand même, nos joueurs, ils évoluent dans les pays occidentaux, dans les grands clubs. Moi, j'ai dit, bon, ils se connaissent déjà. Il n'y a pas de raison à ce que quand les gens s'y mettent pour que parmi ces pays africains-là, on puisse assister au moins un pays qui va aller, un ou deux pays qui mhm. vont aller jusqu'en quart, voire demi-finale. En tout cas, c'est mon souhait. <laughs> Alors, vous, Elhaj Suleiman, euh, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces équipes euh, eh africaines Mes attentes, c'est que l'Afrique gagne. on euh, l'a dit. le football, ce n'est pas une science exacte. autant on a des joueurs africains qui évoluent, en tout cas, euh, ailleurs, donc dans les équipes euh, occidentales, euh, le Sénégal, je pense que on peut s'attendre au regard de ces dernières prouesses qu'on a connues, et justement, bien que par ailleurs la, vedette Sadio, Mané. D'aucuns disent qu'il ne participe pas. bon, on ne sait pas, mais mhm. une chose sur cette équipe est et, dynamique. Moi, en tout cas, je pense que tout simplement, il faut espérer de voir nos, euh, que bon, ça, change. C'est une très bonne chose d'avoir 5, cinq équipes mm-hmm. africaines. Mm-hmm. Euh, ce n'est pas rien, mais je pense qu'on peut compter. Peut-être que les Camerounais pourraient. Euh, en tout cas, récidiver leur prouesse autant de. justement, justement mm-hmm. donc autant de régions là, ils peuvent effectivement récidiver Cela, bon, dans tous les cas, pour le moment, on, est au stade de, pronostic. Et comme il a dit, effectivement, quand on entend parler les spécialistes, euh, on ne voit pas justement les Africains aller loin dans cette compétition. Mais le Cameroun, le Cameroun qui est à sa huitième participation au mondial, on espère beaucoup qu'elles aient des chances à ce mondial. Il n'y a pas que le Cameroun. <laughs> Moi, je n'explique pas le Sénégal, Parce que oui. Sadio Mané, d'accord, il est blessé, mais il n'est pas le seul joueur sur le terrain. Mhm. Il faut se dire, c'est un jeu collectif, c'est un sport collectif. Mm. Mm. Moi, j'ai dit, le tout, le plus important, c'est de jouer sans complexe. Mm-hmm, mm-hmm. Souvent, c'est ça le problème. Mm-hmm. Oh, de plus en plus, les Africains, ils sont plus complexés vis-à-vis des Blancs. Quand vous prenez, par exemple, l'équipe que la France va amener, il y a plus d'expatriés que des Français. Il il faut compter aussi le, le mysticisme. L'autre, j'ai vu quelqu'un dire qu'il y a 49 oh. imams qui ont prié pour que ça vienne devienne Le wak. C'est l'Afrique, c'est là. Espérons que ces, imams-là, en tout cas, puissent inverser la tendance au, niveau mondial. Il faut d'abord compter sur soi-même. On a des là, vous êtes amateur également du euh, football ben, Pas tellement, franchement. On, fait le minimum, on suit la, <laughs> la marche du monde. Donc, euh, nos souhaits donc, euh, pour ces équipes euh, africaines, c'est qu'elles aillent au sommet, qu'elles atteignent les demi, voire la finale même de cette Coupe mondiale. Et c'est sur ce sujet sport que se referme le forum de la presse de ce jour. Nous étions en compagnie de El Haj Mohamedou Suleiman, directeur de publication du journal en ligne Niger Inter, Ousseini Issa, journaliste indépendant. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le programme Jeunes, c'est samedi et dimanche à partir de 17h avec euh, l'actu des jeunes en cinq langues euh, suivi de tous à la fada. Et samedi et dimanche euh, à partir de 18h15 les forums en langue Hausa et Zarma. Je suis fille Adam Sirfa, la modération. La technique est assurée par Amina Hassan. La régie vidéo, c'est Isaka. À très bientôt sur le studio Kalangou et très bon week-end à tous.